am na kuréel ma day ñibbi waaye yaakaaru mu ñibbi de ah Mbaye Dione <laughs> jaara day dem de dafay dafay day dem waaw ah gars yi danañ sa waay day dem de en parce que effectivement Mbaye Yékini dafa maa ngi doon kuy bëgg ñibbi de ndax euh, comme dafa am lu mu waxante woon ça fait une heure temps muy toog di xaar wàcc na ñëw na ba ci biir géew bi effectivement Mbaye wax nga dëgg parce que sa dugg na ba ci biir. dafa mel ne xanaa day wax ne man contrat bi naa sama contrat mais en tout cas Yékini dafa mel ne bu yëgaatee yoxtoom day dem yoonam de ah gars yi affaire bi du neex ñi def seen déplacement de ah affaire bi coow dina coow dina am de Yékini wàcc na ñëw na ba ci biir enceinte bi taal na noonu loxo public bi gars yi gis nañ ko. yéegaat na jàkkaarloo la ñu waxoon ban combien de war toog voilà waxoon naa ko ah oui ah oui ah oui ñibbi na gars yi Yékini ñibbi na Yékini ñibbi na Yékini ñibbi ñibbi na Mais de toute façon, on va avoir lu sur le plateau. Bon, il va nous dire ce qu'il en pense. Lui, l'organisateur de ce combat du 22. En tout cas, c'est un premier face-à-face raté, ce que nous déplorons. Puisqu'il faut dire la vérité, peut-être les gens ont fait le déplacement pour suivre ces six combats, mais aussi pour euh, regarder Yekini et Balla numéro 2. Est-ce que c'est pas Balla qui vient d'arriver Effectivement, Bala est là. fait son entrée au moment où Yekini est parti par une autre porte. En tout cas, donc ce n'est plus un face à face. C'est devenu maintenant un solo. Puisque chacun vient faire peut-être son petit show. Il n'y a pas eu même, il en a même pas eu de show, puisque Yekini est resté dans sa voiture pendant qu'il Il pouvait peut-être faire des séances de, des, de danse, faire un tour de salle saluer les spectateurs et repartir s'il le veut. Mais il a pris tout juste le soin de venir jusque dans l'enceinte, saluer le public furtivement et repartir comme vous l'avez constaté. Au moment où Balagaï vient d'arriver. waaw bidon donc di litre les tribunes qui sont lii bokkoon na ci les gars, xam ne tar nañ en tout cas bon